pour d'abord lui présenter le bureau du Conseil de l'Ordre des experts comptables et de comptables agréés qui a été élu le 9 novembre 2022. Et ensuite, euh, nous sommes venus lui présenter en tant qu'institution de défense euh, d'intérêt public et institution au service de la nation pour lui présenter les différentes activités que nous menions, notamment dans les politiques phares hein, de la République du Niger, notamment euh, notre participation à la table ronde de Paris avec les bailleurs de fonds, et le forum avec les investisseurs. Et nous avons également participé activement au sommet de l'industrialisation et de la diversification de l'Union africaine qui s'est tenu à Niamey. Et nous faisons également beaucoup de propositions, notamment sur la loi des finances 2023, euh, sur lesquelles l'ordre a fait beaucoup de propositions pour faire avancer les choses. Et nous avons également parlé à son Excellence de la création d'un centre euh, qui forme à l'expertise comptable sur place, donc à Niamey aujourd'hui, on forme des experts comptables. Le centre est logé à l'ENA. Et nous lui avons également annoncé la bonne nouvelle, parce que cette année, il y a eu des examens de l'UEMOA au niveau de Lomé, et le Niger a eu pour la première fois de son histoire 7 admis. Donc on aura 7 nouveaux experts comptables diplômés nigériens sur les 45 de l'UEMOA. Donc c'est quand même important pour notre pays. Sur les, les 8 pays de l'UEMOA, nous avons également 7 admis sur 45. Donc c'est de tout cela que nous avons parlé également au président de la République. Et le centre qu'on a créé actuellement à Niamey, qui, est logé à l'ENA, en première année, nous avons une cinquantaine d'étudiants. Et en troisième année également, nous avons aujourd'hui plus de 20 étudiants. Et les examens se sont déroulés l'année passée, à deux ans, durant deux ans de suite à Niamey. Et on a présenté autour une quarantaine de candidats. Donc c'est tout cela qu'on vient de parler à son Excellence, le président, euh, chef de l'État, le président de la République, qui a eu un écho favorable, qui nous a beaucoup soutenus et qui nous a encouragés à entretenir la sérénité au sein de notre institution et à, contribuer, à continuer à faire des actions de développement et nous avons le soutien de l'État du Niger.